Ça se passe actuellement à la salle de vente de Dakar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. À l'instant même. Ça vient tout juste d'arriver, à peine 30 secondes. Tout est pris en feu. Oh, Allah Akbar.

La salle de vente est prise en feu, la salle de vente de Dakar.

borom moto bi na ñëw jël moto bi.